mayonnaise chef qualité hygiène chef les poulets fumés Atis à la découverte d'un concentré de saveur Yonema, acheter des produits de qualité du monde entier n'a jamais été aussi facile. Découvrez notre sélection sur yonema.com. Au Royal Burundi. Live Cuisine, la cuisine autrement. Donnez une nouvelle vie à votre intérieur. Khadija. waaw tey lu xew ak sa maillot bi nii da nga demoon sport wala da ngay door a jóge sport. nii laa nii l'autre tey sama invité moo laaj ma sol maillot. ma sol maillot. xanaa gisoo tur bi. ah le grand pape. soirée. non yi nag maa ngi lay gàtte nag. say rek

jàngaloo ma ko avant Pape di ñëw après nga ñëw ba léegi di ma ko dooga a wax. papa soit toi kii dafa doy waar. merci ça va ñu ngi nii. ah cuisine yi yaaj waa gis nga. xam nga damaa xam ne instant bi vacance prolongées nga xam mhm.

euh, aux saisons où mangue j'ai mm. ben, je te proposer des des plats à base de mangue mm. dañu koy décliner en entrée mm. des si euh, plat bi ak euh, dessert dessert bi c'est ta copine qui gère. ah bon c'est ça c'est ça qui ça. Euh, comme entrée ñu defar une salade à la mangue on a du veau à la à la mangue aussi et on fera des crevettes à la mangue. d'accord de problème. footballeur yi nag moom à de qui paraît Je ne sais pas si ndax yow aussi kii boobu nga bokk wala. waaw xam nga des fois moom dañuy seul. donc dañuy débrouiller wu rek tey moom pare naa pour togg. mën nga. nen xool.

lu ma gis noonu ni muy waxé rek ça veut dire que indirectement mooy est-ce que duma la bàyyi nga togg. Ah. garaawul bàyyil ma jël togu bi. ok bàyyi ma jottali la affaire yi nga may jottali samay ingrédients. voilà légui xalama ma énumérer la ingrédients yi d'abord nga xam ban mo ci ban. et je me je ne me répéterai pas. su ma la jox ma bii doo juub. d'accord am naa fi crevette. Mhm. laa am naa fi escalope de veau. Mhm. du sel. Mhm. du poivre des oignons découpés. euh vinaigre amna fi poudre d'ail bi moy ail mm. ça c'est du miel amna fi poudre de gingembre du curcuma du fond de veau mm. papa est-ce que y ngi kii yaa ngi assimilé fond de veau ça c'est du maïs doux et des légumes Bob dañ koy tek après pour suñu salade d'accord Légui da may jotali veau bi escalope de veau bi d'abord d'accord bismillah ñu mariner ko dañuy mariner suñu escalope de veau après ñu sauter ko je mariner. Oui, vu que ah, un la. Ah, en tout cas en mariner et ça sera mangeable. Oui, ça c'est clair bah déjà que une référence bi moom la le chef Aïda mm. donc euh, dañuy am vous que suñu togg dina neex. waaw Ah, vous un na neex kon. première question mm-hmm. c'est le fait que nga elle a abandonné ses parents abandonné sa famille ses habitudes mm. à l'étranger pour dem fof nous intégration nouvelle vie ça a été facile ça n'a pas été facile parce que a <laughs> est-ce que Non, du nangu ah. <laughs> mais pour répondre question c'est que nous, on est des jeunes Africains et que vraiment, on rêve tous d'être euh, des joueurs professionnels. Ce mhm. n'était C'était pas si simple que ça parce que bon, on est que jeune, tes parents ils sont plus euh, focalisés euh, sur, les études. Mais franchement, j'ai eu la chance d'être à, d'être à où les études étaient, vraiment, vraiment importantes pour eux. Sport-études. Sport-études. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle mon père m'a laissé partir pour pouvoir continuer mes études. Et puis voilà, de là-bas, j'ai fait 5 ans et que je suis parti à Lille. En 2008, j'ai signé mon premier contrat professionnel là-bas. Après, j'avais un choix entre de faire le bac ou d'avoir un contrat professionnel de 3 ans. Donc, euh, je me suis viré sur, euh, sur l'autre côté et être professionnel. Tu as continué, tu as, tu t'es consacré carrément au foot. Voilà, voilà, J'avais un choix et j'ai fait, j'ai pris le foot. Ok. Mhm. Et, tes débuts, c'était comment quand, quand, tu venais pour la première fois, pour la première fois dans un pays, hmm. Ouais, maintenant, maintenant, maintenant, parce que j'ai eu la chance de, de partir avec euh, un ami qui était avec moi à Djambar, Idriss Gueye. Donc euh, voilà, donc c'est avec lui que je suis parti. J'ai fait les mêmes durées avec lui à Lille. Donc voilà, je ne me sentais pas très seul. Parce qu'on se donnait des conseils, on se, soutenait et que nos parents se connaissent. Donc c'était un moment, un passage vraiment très très bien pour moi avec lui. Donc, pour

à la main. À la main. À la ah, j'ai hâte, hâte, de goûter ça. Euh, j'ai déjà découpé la, la, viande. On va saler. Tu me passes le poivre. Le poivre. Merci. Euh, Comment ça se passe? Je vais vous le foot. Je vais vous le dire. Je vais vous le suit. <laughs> waaw man sama relation avec parce que on se donne des nouvelles de temps en temps Ghana il était chez moi il n'y a pas a pas longtemps. donc c'est toujours un plaisir de les rencontrer et, de les entendre parce que voilà nous on est des amis on est partis à l'extérieur pour pouvoir. Euh, réussir nos vies et pouvoir euh, mettre nos familles à l'abri. Ah. Donc euh, c'est toujours un plaisir de les entendre. J'ai passé au moins deux ans avec Cherou dans le même club et ça s'est très bien passé et que c'est là-bas où au moins on a, on a, on a vraiment fondé l'amitié. Ouais, c'est super. Il y France championnat France ak Angleterre mu gën a je waaw xam nga championnat bu nekk différence, il différence a un championnat de France, waa Angleterre moo lay Hein? ah, ah? donc bon ma France. Ah, <laughs> ah, bon déjà France ah. <laughs> mais le championnat d'Angleterre, c'est vraiment un championnat très difficile. parce qu'il y a, beaucoup de responsabilités à prendre. En France, on peut dire que voilà, c'est pas pareil, parce que le jeu il va plus vite en Angleterre qu'en France. Et que voilà, ces deux expériences que, que j'ai connues et que vraiment c'est un, un, plaisir de, de les découvrir. Salena, na, et donc il commencer par condiment. Je pense que je donnais du gingembre. Ah. mu gën ça, voilà. ça ça ça nee ça, mu ça se voit que le ah. il faut de <laughs> du curcuma. ne vais dou la du ma répété waat dafa affaire yi sax. Et Nena, damay toog toggoloog top. toggoloog maa la ko wax. en fait yow ban année nga commencé football. waaw man maa ngi dem Jambar ay ba may amee 13 ans. léegi ban moo si topp. loo bëgg. poudre d'ail. poudre d'ail. Ouais. <coughs> c'est bien ça. Hein. ouais super. on a mis les assaisonnements les vinaigres, bi rek lan si ajouter. vinaigre balsamique. ouais de oh. préférence. merci euh, je vais y mettre kon ngay def après jël oignon yi mélanger. ko donc là wala oignon. va mel ni yow technique boobu ngay def. technique boobu boo ko dugalee ci four ça ça donne un bon ça donne hein. quelque chose est-ce que boobu duñ ko remettre une autre fois. des fois sax dañ koy def euh, papier à papier euh, bon mais ñun nous def au four dañ koy sauter à la poêle Khadija. Mm-hmm. tu me passes l'huile chef Aïda on va sauter. Euh l'escalope de viande. D'accord. Léegi bàyyi ma mettre la gaz bi. voilà super. comme ça nous démarrer. et. Eh? oups. su ma làkkee su ma làkkee sa waañ bi fii. doo làkk sama waañ bi de bala ngay lak sama waañ boobu sama greffage bi <laughs> sama greffage bi nga la gëna lak làkk. léegi on va mettre euh, un filet d'huile chef Aïda. l'incontournable huile chef Aïda nga ni mais pure huile de tournesol enrichie en vitamine A. et D. amul cholestérol amul dara du sonal Mashallah. voilà la chef Aïda rek ko <laughs> après on va sauter les. Euh, l'escalope du viol. Euh, ah. nga war a dem beneen club. comment ça se passe début bi nu muy demee doo door a dem ci beneen club boo xamante l'intégration quoi l'intégration quoi. xamante ni xamoo fa kenn. Hmm. nu muy demee. waaw xam nga tey si lépp la. tey pour nga ñëw euh, intégrer fenn foog nga ñëw intégrer sa bopp indi say say say say say affaire bopp pour mën a intégrer wu. parce que boo demee ci yenn club yi tamit nit ñi dañ lay jàppale bu baax des fois da ngay xam kenn. ku fa nekk koo xamoon avant. ku la mën a intégré. parce que loolu noonu rek nga mën a su sukkandikoo pour euh, pour bokk ci équipe bi pour mën a intégré wu mu mu baax. Mhm. loolu rek nga mën a am. mais mais voilà yàlla day day def chance bi nga xamante ne di nga fa xam au moins kenn ku la mën a mhm. dimbali quoi teg la ci yoon. donc voilà. ak ak ni ma la xamee nii macha allah yow moom foo dem da ngay bokk. ah bon <laughs> loo ko xamal Khadija. loo ko xamal. maa ngi ah bon merci macha allah waaw. escalope boobu euh, yi pare na. Hein? <laughs> ça a l'air très bon léegi dañ koy génne ñu bàyyi tuuti mu refroidir léegi war nañ defar sauce bi ànd escalope de veau bi sauce mangue bi war nañ defar tamit crevettes, bi sauté de crevettes à la mangue. Crevettes sauté bi à la mangue man maa koy defar. ah waaw ma jox le gant. voilà Crevettes sauté à la mangue jar na gant. bu dee dafay épice bi. ok. <laughs>

N'est-ce pas Voilà, je me recueille pour me remettre à Ok, je te passe une spatule. Voilà. Merci beaucoup. Bon, qui n'est pas dégidé Le son, le bon, le bon, le Comme ça, il va prendre le temps. D'accord. Similaire. Tu vas voir le mer Rêve. Et hein? tu mets le sel. ok. voilà. Ah, y y man des lay ah. moi je regarde seulement. non regarde seulement après tu goûtes. dinaa du gaz gaz gaz du non tu ne fais pas confiance. si parfaitement. Hum, crevette de am na couleur d'âge. Ah, les mangues sont là. Oh, merci beaucoup ma copine. De rien. Vu qu'on a dit crevettes sautées à la mangue, on ouais. va ajouter nos mangues. Hein. Ok. Allez. On ajouter mangue mangues ci biir crevette Je vais faire ma sauce mangue à part accompagner ça mes escalope de veau. après une copine terminé dessert Si suñu copine terminé dessert servir. ah je je je lui fais confiance. je lui fais confiance. oui na ko <laughs> est-ce que tu peux utiliser ça pour dessert. pendant panna cotta à la mangue tu as suñu kii suñu suñu suñu suñu plat c'est à base de mangue. d'accord. j'adore la texture de de tes crevettes. bon tu vois je pense que pare -hmm.

torop comme que defal nga sa sauce crevette ala mangue Hal ma wan la sama sauce man Khadija soo paree da ngay trancher entre crevette sauce crevette bi ak man sama sama escalope bi. amul far nag loolu dina métti torop sax. ay jabar nga de. ah gis nga. su paree moom mooy trancher wax suñu kii yi ban moo dàkk. voilà mu jugé. Khadija damay ragal xool. xool ñaari sauce bu gën neex. man xamna ne conviction que ni. Ah. sañ na laa faral man bàyyi même su fekkee ne maa la daakal ne moom bu neexee fo nga wax. Hmm. ah. waaw ah? d'accord donc nak na nga trancher légui def naa oui chef hmm. Aïda oui c'est bon c'est super. def naa oui chef Aïda bi euh, tu vas me passer les oignons je vais faire revenir les oignons. d'accord. dans l'huile. Khadija bi ñu préparé dessert bi quoi dafa bi moom nar la neex. non bii foofu lay jëm. Hein? day ñëw fii si si kii mango bi. Ah, waaw fii lay jëm. donc oignon bi duñu xaar muy muy doré. ok euh, après dañuy def euh, directement fond de fond de veau bi. d'accord je te passe. oui merci.

Je vais gagné non ko gagné. rek de <laughs> poudre d'ail. Et je vais Je de poudre d'ail. après ma euh, pince de poivre. ok. je termine par euh, le miel. Je fais tout rek. mais dama de la couleur ñu dafa am miel déjà mangue bi c'est sucré. Mm. donc dañuy contraster goût yi. xam nga ah, sucré salé dafa neex sucré salé waaw dëgg la <laughs> dëgg la donc miel bi moy ñëw. euh ko couleur waay mangue yi nak man daguma en dés dama dagg euh, en en lamelle voilà. mais comment le jangal jàngal togg yow xam nga yi moom suñu yaay yaakaar ma ne toog jàngal lañ ñu ko ñun ñoo sopp rek dem découvrir ko suñu bopp mais ah. base yi moom c'est les mamans qui ont fait le travail. ah ñun moom ah, surtout les mamans sénégalaises ils éduquent bien leur. Euh, chapeau waaw waaw est-ce que mën nga ceebu jën grand. ah ceebu jën ñun ndax mën nga yow ceebu jën. mën nga ceebu jën. waaw man. ma wóor de xam naa ne yaa sa mën naa mën nga yaasa. yaasa mais yaasa dafa yomb tamit Khadija n'est-ce pas. waaw. ah mën nga yaasa poulet yow. ah mën nga yaasa poulet. <laughs> sama sauce pare na hein? moom mm. laay accompagner ak escalope on a là-bas nos crevettes sautées à la mangue. waaw ma sauce. mu des salade bu ñuy vite fait. après on passe à table. ok Et fàtte na panna cotta bi. waaw <laughs> fii nga la bi doo ko def. on y va. Pour faire ma panna cotta à la mangue, j'aurai besoin de 3 feuilles de gélatine, 20 cl de lait de coco, 25 centilitres de crème liquide entière, de l'essence de vanille, 50 g de sucre en poudre, 20 cl de coulis de mangue, quelques mangues fraîches en guise de garniture. Faire tremper les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide pendant 10 minutes environ pour les faire ramollir. Verser le lait de coco et la crème liquide dans une casserole. Ajoutez le sucre, mélangez et portez à ébullition. Rajoutez l'essence vanille. Retirez la casserole du feu. Laissez reposer une minute avant d'égoutter la gélatine et l'ajouter dans la casserole. En mélangeant pour le faire fondre. Répartir ensuite la préparation dans trois verres et laisser refroidir. Placez ensuite les verres au réfrigérateur pour 4 heures. Versez le coulis sur les crèmes décoré de fruits frais et servi. Voilà, dessert du parrainage allez, donne, donne, donne, donne, voir gagne. J'ai envie de savoir, hein? Hmm. Ouais. Ouais. Ah! crevette bi gën a crevette bi sax moo gën crevette C'est gën a neex. moo gën a neex sama kër yow doo fi ñëwuti. ah bàyyi ko ñëw. ñëwoon naa la bu dugg ci non. boobu. baax na yow mag yow dinañ fi ñoo fi des ci kër dina la

Je suis carrière le marque, parce que Madame euh, j'étais très jeune et j'ai gagné le championnat français j'ai été champion de France j'ai gagné la Coupe de France et puis quand je suis parti en Angleterre j'ai fait j'ai fait j'ai été finaliste de la Coupe d'Angleterre donc c'est des c'est des récompenses que j'ai eu avant que j'ai eu en choc en 2016 un choc qui m'a éloigné des terrains pendant au moins un an et demi. Mhm. C'était douloureux parce que c'était un moment où que c'était pas juste difficile pour moi, mais c'était difficile aussi pour ma famille parce que mon père était hospitalisé en France. Il, devait faire la chimiothérapie parce qu'il avait des problèmes de poumons. Et puis, euh, je me rappelle, ma mère s'est cassée la jambe le vendredi. Donc c'était une période qui était, qui était vraiment difficile pour moi et pour toute ma famille. mais li may dolli di wax rek moi damay sant yàlla parce que li ma doon rêvé pour am coach de football yàlla dogal na ne euh, am naa yu ci jot am avant mon accident mais maintenant c'était des moments yi nga xamante ne ni sa entourage rek moo la mën sauvé sa entourage moo la mën jox force pour que je a le parce que j'avais j'avais j'avais cette envie j'avais cette envie que euh, que mes parents sachent que je ne vais pas lâcher. Malheureusement, j'ai perdu mon père en décembre 2016, deux mois après. Après, voilà, c'était des moments difficiles pour moi et pour, toute ma famille. Dieu merci. Euh. Et comment tu as fait pour, pour surmonter tout ça Sincèrement, de c'est pas du tout facile. suis choc, mhm. tu perds un parent, voilà, sa carrière, disons déstabiliser après nga ñëwaat fii toog sant yàlla toog di waxtaan ak ñun ñëw toggandoo ak c'est pas du tout facile et c'est pas donné à tout le monde. waaw c'est clair que nous sommes on est des jeunes africains et que nos rêves c'était d'aller à l'extérieur et de prouver qu'on a des qualités pour jouer au football parce qu'aujourd'hui, pour jugé pour jouer football, c'était pour mettre à l'abri ma famille. Parce que nous, c'est très compliqué ici en Afrique pour mhm. pouvoir euh, mhm. réussir et même euh, faire des choses pour pouvoir mettre ta famille à l'abri. Maintenant, c'est des forces, c'est des forces intérieures que j'ai parce que Boumaka Amé c'est par rapport à mon père qui l'a mis sur moi et qui m'a montré une feuille de route. Donc, je n'ai pas, essayé de déraper ou faire euh, autre chose qu'il ne me conseillait pas. Donc, ça me réussit, ça se passe bien. Et que les gens, ce qu'ils disaient, qu'ils ne peuvent pas revenir et que, avec ces blessures au fémur et à la mâchoire, parce que j'ai eu une cassure à la mâchoire, il disait que je ne vais pas revenir. Donc moi, c'était une source de motivation intérieure pour que je revienne. C'était un défi. Voilà, c'était un défi et j'avais envie que ma famille continue à me regarder à la télé. Moi, je dis waouh. Hmm. Et par rapport euh, à euh, ta sélection en équipe nationale, mmh waaw ah, xam tout le travail qu'on a fait jusqu'ici ba may ñëw toog fii di waxtaan wala ñuy def suñu togg yu neex dessert yu xam nga xam nga waaw waaw gis nga loolu lépp pour pour pour pour revenir là parce que le plus dur est derrière moi parce que euh, j'ai passé des moments à l'hôpital j'ai passé des moments sur une chaise mm. et que voilà c'est des moments où que si j'ai toutes mes forces il n'y a pas d'inquiétude je reviendrai en équipe nationale donc depuis <laughs> poste mhm. vraiment merci beaucoup. Machallah, allah par rapport euh, à la marque. oui donc euh, c'est une ligne de vêtements. Oui, une marque de vêtements qui s'appelle Puissance Premium avant. Et maintenant, on, on, va le changer pour Puissance Paris pour faire une nouvelle Puissance Paris Voilà. Et pourquoi Puissance Paris Parce que... On, Par, on... Pourquoi pas Puissance Sénégal Voilà, d'accord. Est-ce que ça me donne l'animé ligue de Sénégal Donc, maman, je veux faire le tour pour nous au Sénégal, nous pouvons utiliser le Sénégal. Ok. Voilà. Ok. Donc voilà, ça se passe bien, on vend en ligne et que les gens le portent bien. Euh. Comment est cette idole Quel monde le plus motivé pour que non, qui n'est pas lui me défend il faut me donner une valeur. Quel est c'est idole Ouais, man, benn joueur là doon suivre bu ma gënee parce que poste arrière gauche pas un poste de prédilection. man j'étais en milieu de terrain défenseur central. mais Roberto Carlos c'était quelqu'un que je regardais beaucoup donc loolu moom moo tax poste bi moom moo ak kan bi ñu weesu ni dem nañ ba final. Hmm. on n'a pas remporté la coupe. Hmm. ban jangat nga ci am. waaw man jangat bu c'est un goût amer parce que booy euh, génération bi nek fi c'est ma génération on est arrivé au même moment en équipe nationale. et puis voilà j'aurais aimé j'aurais aimé qu'ils gagnent une coupe mais bon. On est déjà allé en finale, je pense que la prochaine fois sera la bonne. Hmm. Avec le retour de soirée en force, voilà. Inch'Allah. <laughs> Inch'Allah. <laughs> ok. <laughs> léegi yow nga y ne yow temps bi passé lan ñu manqué. Voilà. parce que dem nañ ba finale. Oui, xam nga ñun gëj nañ dem finale Yalla dogal na ñu dem ba finale. Ouais. mais ñaan Yalla bi di ñëw ñu jël ko. en tout cas dal. voilà c'est un bon progrès je pense hein. voilà. mais affaire yi neex na de man lii moom jaar na yoon. chef Aïda bi marionnette chef Aïda bi lan nga si gis par rapport ak li ma la si wax. am na solo. Mm. am na solo bu baax a baax. ok da boo ñibbee da nga koy da ngay kii. non da ngay jox ay pot mu yóbbaale. Ah, loolu amul problème loolu duñu ah, boole ak diwlin bi après soo ñëwee yow mm. yaa yow yaa may defaral sax ay retour <laughs> soo ma doon defaral benn euh, classement équipe nationale onze types de tous les temps. Hmm. yan ak ñan lay doon. waaw si mon gis-gis mon équipe. yaa ngi ci biir de hein? maa ngi ci eh, biir bàyyi ko def bàyyi ko def classe moo xam. waaw man sama gis-gis. <laughs> waaw C'est sa gis-gis. on va commencer avec l'équipe de 2002 parce que je peux pas aller plus loin que ça. ok Tony Silva dans les buts. Tony Silva. waaw goal. goal. ok. de Koulibaly dans l'axe. Cara, axe droit. Cara Mboji. Ok. Et puis à droite, je mettrai Sabali. À gauche, Pape Ndiaye Soirée, avec hum. le brassard sur moi. Ah. Oh, que Khalam de <laughs> Puis au milieu, je vais mettre euh, Idrissa et Cherou. Hum. Ok. Puis j'ai envie de jouer avec un 10 qui est Pape Koulidiop. Ok. Et puis sur les côtés, j'aurai Sadio Mané et Diao Ta un classement am na maanaa. am na maanaa ak coupe du monde sax dañ Hein? il reste un attaquant je mettrai Papis piste Cissé. Ouais. cool super. super hein? vraiment donc super. classement soirée est mon Voilà, voilà mon classement. Yo. à part football. lan hein? ngay def da ah ne wala da ñuy yóbbu ci man talent woom ñu talent man am na ay talent déjà ton truc là il est bon ah merci j'ai pas encore goûté il faut le ouais. je goûte d'abord après je te réponds mmh. ou je réponds avant c'est à toi de voir voilà laisse-moi goûter avant que ça fume <laughs> mmh. c'est magnifique merci. je vais ah? je vais l'amener avec moi frère.

waaye xaw ma ndax ñaan wala neexul. sérieux mën naa jox sérieux ne neex. ah ñun kay dañuy dañuy dañuy dañuy mosal. mosal de. ndam lañ bëgg talatuñ dem soirée wala bëgg bëgg man la pap lay soirée. dëgg bëgg def ay pass pass football bàyyi donc jox ñu refrain bi ñun ñuy wax waaw ndam lañu bëgg ndam lañu bëgg tuñu dem soirée ndam lañu bëgg tal leen ndam da bay dem soirée voilà ah, ah wala bëgg bëgg man la pap jay soirée ndam bal def pass pour bal bay ay kaas kaas ndax ñun dañu am base base ndam lañu bëgg <laughs> football leen bay ay kaas kaas loolu bëgg ndax ñun dañu am base base on dirait qu'il y a un message que tu veux. voilà c'est un message booy véhicule les ay bàyyi le football leen te bàyyi. waaw waaw ba ba bàyyi nga décortiquer ko. soirée mii ah, hein? neex na boobu talaaw ba en tout cas. macha allah dañuy jàpp fii jàpp fee rek. ah gis ci mayonnaise chef Aïda rek ci goût qualité sécurité et hygiène amoul dendandoo ci mim réew. yaay chef. Les poulets fumés Atis à la découverte d'un concentré de saveurs. Yonema, acheter des produits de qualité du monde entier n'a jamais été aussi facile. Découvrez notre sélection sur yonema.com. Au Royal, vous rendriez.